Bon, c'est Amadou Aou, le coordinateur des étudiants républicains de l'Université de Thiès. Alors, Amadou, vous avez mhm. voilà li ñu fi dajale tey yaakaar naa ni comme ni ñu ko gisee mm, instant bi dañu nekk période une xam période, bu difficile ci ay étudiants donc nous euh, defoon ñu sollicité nos autorités qui sont au niveau de la région de Thiès et c'est le ministre Augustin Tin qui a répondu à notre appel. Nous avec un lot de tickets très important aux étudiants de l'université de Thiès nécessiteux parce que les étudiants pour pratiquement ñoo nek ci besoin donc nous avons ñu def euh, la cérémonie de distribution de ce don de tickets que le ministre Augustin a offert aux étudiants de, de l'université de Thiès. Et nous lui remercions quand même au passage de ce geste et nous profitons encore de cette occasion appeler à toutes les autorités quand même de suivre les pas du ministre parce que l'étudiant c'est l'avenir de demain. le nombre de tickets estimés estimé à une valeur de 200 000 francs de tickets donc n'ai euh, pas le chiffre exact mais je sais que c'est estimé à une somme d'argent de 200 000 francs CFA voilà. alors waaw li may wax ñi si des ñëpp mooy euh, ñu ñëw jàppale étudiants yi parce que euh, dëkk bi dafa xaw a métti ci parent bi nga xam ne dafa am doomam dëkk Tamba wala Fatick mu yónnee ko ci région ba région donc da ci baax yenn saa yi kilifa yi nga xam ni ñoom ñooy lañu yàlla dénk réew mi ñu ñëw di gestuwaale xale yi étudiants yi comme li mu wax sànq rek étudiant moom ku ko jàppale jàppale nga réew mi ndax moom mooy yor. et réew ëllëg donc li ma leen wax ñoom sans exception ñu ñëw assister aux étudiants l'avenir de demain merci merci beaucoup. je m'appelle Baba Gay, étudiant en deuxième année LMIO. alors comment appréciez-vous cette dotation euh, en ticket de restauration du ministre euh, coordinateur départemental de la euh, au Augustin Bon, comme vous l'avez dit, nous le remercions tout d'abord parce que comme il vient de dire. Les étudiants ont, besoin de ça parce que la vie ici est tellement difficile. Donc, euh, si on voit ces gens de personnes qui font ces gens d'actes, nous ne pouvons que les remercier parce que vraiment les étudiants ont besoin de ça. Surtout euh, ceux qui logent ici et parfois ils n'ont pas de tickets. Donc, euh, si on voit ces gens de personnes qui font ces gens d'actes, nous ne pouvons que les remercier. Donc, vraiment, je remercie Ao et son équipe et le et le, je ne sais pas, le général. Donc, euh, on ne peut que les remercier là. Alors, le maire est une structure quand même qui fait partie des instances de la paix, aujourd'hui qui vient au secours des étudiants, toute obédience et toute appartenance politique qu'elle a Bon, le maire est un citoyen sénégalais, donc s'il voit un problème quelque part, donc euh, il doit le régler comme toute autre personne. Je pense que euh, c'est normal quoi. C'est ça que je peux dire ça. alors waaw jàngat bi ñu si def mooy rek ne kontaan nañ si parce que étudiants yi moom loolu ba dama <laughs> dañ koy soxla parce que ku nekk fii xam nga ne ticket moom moo lay permettre nga mën a dugg añ wala nga dugg reer wala nga dugg nekk kon ça veut ne sa vie lay bokk kon. duñ def loolu sant rek ñoom ñu koy initier ak maître maître Augustin Tine mi ko joxe di leen remercier di xam ne li def nii soxla woon nañ ko te ñu ngi leen sant di leen si gërëm. waaw euh, euh, euh, waaw loolu mooy li gën tax parce que li ma waxee sànq rek citoyen sénégalais moom. bu fekkee daa bëgg réewam rek buy dimbali ñëpp lay boole dimbali du xool nekk ñi kii APR nekk kii PDS la nekk kii PS la nekk ñëpp lay boole dimbali parce que fii fii ay ndaw ñoo fi nekk te ëllëg ñoo yor Sénégal kon yaakaar naa ni bu fekkee am na ku ñuy dimbali rek ñëpp la ñu boole dimbali ndax xamuñu après fu muy mujjee kon loolu dañ koy rafetlu rek amul parti bu mu bokk ak yooyu ñun ay étudiants lañ ko ñu dimbali rek lépp dañ koy gërëmee di ko sant. nuyu ñëpp di sant ñëpp di wax ne li ñu boole fii du dara doon ticket bu ñuy def la. boo xamante le ministre des forces armées moom moo mo moo jagleel étudiants yi lii nag soo ko du fi gulet parce que nañ def peut-être subvention bi nga xamante ne ni moom la autorité parti bi téye woon moom moo waraloon lii ñu gëj gis mer yëngu si don de ticket wala mu yëngu si ay jàppale ay nit si ay ordonnance mais bientôt bëgg nañ ko relancer waat si phase boobu lañ toll moo ñuy woo président de la république di wo aussi ñëpp ñi nga xamante ne ñu ngi si biir parti bi à ce que muy ministère yi muy DG yi à ce que ñu si parti bi dëkkalaat subvention bi nga xamante ni dañ leen ko jox maire ñun loolu kese mooy appel bi nga xamante ni ñu ngi koy lancé di ko wax autorités yi ñu jàpp si dundalaat maire dundalaat maire yi parce que ñuy def politique bu mucc ayib la. bokk na si politique am moom mooy stabiliser campus universitaire bokk na également si politique am di jàppale étudiants yi nga xam ne seen loxo day mel ni euh, nga nekk di foyal li nga xamante ne nii euh, lu am solo la si biir parti politique. Euh, ci beneen wàll euh, ci wàllu restaurant bi mais bu ñuy jàngat ci crise na taga génn bi tey maire en tant que étudiant yi nga xam ne da ngeen milité ci parti APR pour ngeen koy maire rôlam dafa mës a nekk jéem a stabiliser campus universitaire yi di dox ci jàmm diggante autorité yi. ak euh, étudiants yi loolu kese mooy suñu taxawaay noonu lañ bëgg a taxawee moo tax ñuy laaj saa su ne li nga xamante ne nii moom mooy suñu droit muy subvention bi nga xamante ne dañu ko doon jagle ñu koy jox ñu mën di wéyal suñu liggéey ba liñ bëgg fii si milieu bi ñu am ko. Je m'appelle Samba Thiam, je suis euh, étudiant en Master 2, Banque Finance Assurance. Je suis également le président de la commission sociale du maire. Donc aujourd'hui, nous sommes réunis pour deux choses. Donc la première, donc, est euh, sociale. Donc, vu que les étudiants ont des problèmes souvent, donc à ce qui concerne la restauration, le maire a eu donc, des cotisations par ses leaders donc pour accompagner ces étudiants nos boursiers ou bien même les étudiants qui viennent juste d'arriver à l'université. Donc un don de tickets pour leur permettre de se restaurer gratuitement donc durant une période bien déterminée. C'est la raison pour laquelle, avant d'entrer de, d'entrer dans les détails, j'aimerais d'abord remercier le ministre euh, des Forces armées, docteur Augustin Tin, donc pour sa contribution à la réussite de, ce, de cette journée, ainsi donc à toutes les autorités de l'APR qui de près ou de loin ont contribué à la réussite de, de, cet événement. Donc pour euh, euh, finir, j'aimerais tout simplement lancer un appel à l'égard des autorités du parti et aussi à Moussa le président de la République Macky Sall qui donc reste et demeure notre candidat pour les élections de 2019. Donc de bien vouloir tout simplement relancer la subvention des maires des universités pour permettre aux étudiants du parti donc de pouvoir mais être en phase avec les réalités économiques, les réalités sociales donc, que vivent les étudiants des universités du Sénégal. Le maire est le mouvement des élèves et étudiants républicains. Donc dans, notre, dans nos objectifs, donc, nous avons une partie très importante, très importante consacrée à au volet social, donc, qui est tout simplement d'accompagner les étudiants. Parce qu'on a tendance d'accompagner les étudiants nécessite, bien, bien sûr. On ne parle pas d'étudiants du parti, mais aux étudiants nécessite. Donc que, l'étudiant soit dit d'IPDS du PDS ou autre, peu importe. Ce qui est important, c'est que l'étudiant soutient l'étudiant. Alors euh, très bien, vous revenez un peu sur euh, la question de cette euh, votation ticket pour euh, la restauration de la part de Disney. aux Donc nous lançons un message aux autorités du parti de bien vouloir tout simplement euh, déclencher la subvention que disposaient les maires des universités pour leur permettre tout simplement donc, de réussir ou bien d'atteindre leurs objectifs. Alors, au sortir de la crise scolaire quand même qui a été résolue récemment, quelle est la lecture que vous faites en tant qu'étudiant le maire euh, joue un rôle très important dans la vie universitaire. Tout simplement parce que, d'une part, donc, le maire euh, contribue à l'instabilité du campus universitaire. D'autre part, le maire, à travers ses actes, les dons de tickets, donc, permet aux étudiants, tout simplement, donc, de se restaurer gratuitement, d'avoir un cadre de vie étudiant plus propice et également leur, leur accompagner dans, dans, dans, dans, dans leur, dans leurs études.